Nous voilà à nouveau aujourd'hui réunis sur ce somptueux site pour le démarrage du projet d'assistance d'urgence pour la résilience des éleveurs pastoraux impactés par la pandémie de la COVID-19. Cela témoigne de l'engagement de la FAO à être toujours présent aux côtés du gouvernement du Sénégal pour soutenir les populations les plus vulnérables face euh, aux, crises et aux chocs. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le secteur de l'élevage est l'un des secteurs les plus affectés par la pandémie du coronavirus. Les ménages d'éleveurs n'ont pas pu accéder aux marchés ruraux et urbains pour mener leurs activités économiques. Ceci a engendré de fortes baisses des revenus des ménages. Par ailleurs, la fermeture des restaurants et des hôtels a durement affecté les filières ovines, volailles, lait, avec des pertes considérables sur les stocks et les revenus des acteurs. Ainsi, dans sa contribution au plan de résilience économique et sociale du gouvernement, la FAO a accordé une grande importance au secteur de l'élevage, un pilier fondamental de la politique de développement du Sénégal de par son rôle social et économique. 3000 ménages pastoraux vulnérables sont ainsi, vont ainsi bénéficier de transferts monétaires pour améliorer leur pouvoir d'achat, leurs moyens de subsistance et leurs conditions nutritionnelles. D'apporter un soutien aux filières pastorales face aux contraintes engendrées par la pandémie, 000 tonnes d'aliments de bétail vont être mis à la disposition des populations vulnérables en une phase d'assistance d'urgence pour renforcer la résilience des éleveurs pastoraux impactés par la pandémie du Covid-19 pour environ 10 000 ménages pastoraux vulnérables, soit environ 80 000 éleveurs localisés dans les départements les plus touchés par le déficit forager et une phase d'appui au renforcement et à la redynamisation du mécanismes de sauvegarde de bétail pour améliorer la résilience des exploitations pastorales face aux crises et aux chocs. Je félicite aussi FAO parce que tamit la xam problème mais aussi nga où fan nga Eh, ndax ñi nga xam ne dañuy màng dañuy faral di am ay jafe-jafe yu rëy dañuy toxu fa ñu dëkkoon ñu fàtte leen duñ leen fa sóoraale mais fa ñu ñëw aussi tamit fekk duñ sóoraale wu ñu leen kon ñooñu bu ñu leen fàttalikoo innovation bu rëy la ci liggéey bi eh, FAO nag yàgg na liggéeyandoo ak eh, ministre de l'élevage mais da cee baax aussi ak mu ne ñu xoolaat mais ñu améliorer seet aussi la nga xam ne bu ñu ko defoon day gën a baax ñu doxal loolu loolu mooy li ñu def ren